La coalition Bernard et la majorité présidentielle LRG sous la présidence du coordonnateur départemental de Kumpentum, M. Omar Sy, les maires, les responsables politiques, les militants et sympathisants se sont réunis pour apprécier la quintessence de l'adresse à la nation du président de la République, son Excellence M. Macky à la date du 3 juillet 2023. Marqué par l'annonce officielle de sa décision, de ne pas participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Sa décision, bien qu'ayant surpris tous ceux qui voudraient le voir continuer son œuvre pour la construction d'un Sénégal émergent, la coalition Benno du département de Kumpentoum salue cette décision et félicite son Excellence le président Macky Sall pour la densité exceptionnelle et la portée historique de ce discours le chef de l'État a fait honneur aux démocrates du Sénégal et de l'Afrique par sa constance dans sa posture fondée sur le respect et la parole donnée. Considérant que le président Macky Sall avait le plein droit de se représenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024, considérant que son bilan élogieux milite amplement pour sa réélection dès le premier tour avec une majorité écrasante, considérant qu'avec le président Macky Sall, en 12 ans d'exercice, la région de Tambacounda, le département de Koum en particulier, ont connu une transformation structurelle assurant ainsi un bon considérable tant au niveau de l'équité territoriale, au plan social, des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de l'emploi des jeunes, etc. Considérant qu'il est impérieux d'assurer la poursuite de l'achèvement des projets des sentiers et des chantiers qu'il a mis en œuvre depuis 2012, conformément à sa vision matérialisée à travers le PSE. Le département de Kumpentum remercie le président de la République pour son œuvre grandiose, son sens de la responsabilité et lui assure un engagement infaillible à ses côtés pour soutenir et accompagner le candidat qu'il proposera. ci njiitum Omar Sy euh, coordinateur départemental les maires et ak responsable politique yi pour waxtaanee solo discours président de la république le 3 juillet 2023. deux discours de bu muy wax décidé de respecter kàddoom def nekku candidat ci élection présidentielle yi di ñew décision boobu bett nañu bari parce que nous voulons nañ gis mu continuer nous mu commencer à l'égalité ci Sénégal tabax commencer, mu commencé tabax Sénégal. coalition Benno Bokk Yaakaar bu département de Koubentoum jaajeufal na ko ci te jere na ci monsieur le président de la république ci euh, dayoo bu discours pour am ci aduna bi président une leçon démocrate sénégalais, joxna leçon démocrate aduna bi ci taxawaay bu mu taxaw ne man yoon may ko mu ne war a jàll moom mu ne moom fii lay yem ñun nag ñu gisee loolu ñu ngi nangul président de la république dayom boobu décision bu am dayo boobu ñu ngi koy nangul ne liggéey bu am solo bu mu liggéey ci réew mi depuis 2012 ba tey kon nag ñu ñun waa euh, euh, euh, coalition benn Bokk Yaakaar ba Koupentoum ñu ngi ko ciy jaajëfal di ne ko ñun ñëpp ñu ngi takku nekk benn nit fas ne jox ko mandat mu tànnal ñu kum ñu tànnal ñu topp ci ginnaawam ñun ñëpp ci élection yii di ñëw bu soobee yàlla.